Je message à l'ensemble du peuple sénégalais Petit ci njëkk une pensée exceptionnelle pour mon jeune frère et ami le président Ousmane Sonko ne fii ma taxaw tey ñun ñëpp ñu sañoon Ousmane Sonko nekk fii ak ñun waaye xam ngeen li ko téye moo tax mu bëggoon wax ne lépp lu ko mën a téye lépp lu ko mën tënk lépp lu ko mën a gàllankoor gàllankoor na peuple sénégalais gàllankoor ne l'entente de la coalition Yewwi Askan Wi gàllan askanu Sénégal kon nag président Ousmane Sonko foo ma di nekk jàppal ne. sénégalais yaa ngi lay bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel te may wax ne ñun tey man Malick Gakou lépp loo xam ne day gàllankoor Ousmane Sonko du ma ci nekk du ma ci wax du ko laal te du ko jege. ma ne ma répété ne lépp luy tuutal Ousmane Sonko lépp lu yàq Ousmane Sonko lépp lu koy. ak moi tel a la volonté populaire ba des ma bëggoon le peuple sénégalais ma le peuple sénégalais est-ce que vous êtes d'accord pour le dialogue Moi, le président Bakissal. premier mandat zéro résultat premier mandat zéro résultat premier mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat alors comment se fait-il que après deux mandats avec zéro résultat il ne a pour de troisième mandat